J'ai vu dans les réseaux sociaux, TikTok, comme euh, des déclarations tendant à dire que, à la limite, euh, que les malades accidentés de, de Yarach, euh, en fait, qu'il n'existait pas de malades accidentés à Yarach. En, réalité, si, il y a des malades qui sont accidentés de Yarach, qui ne sont pas, certes, à Dalal mais qui sont au centre hospitalier national de Pékin. Dalal a reçu également les deux corps calcinés en réalité euh, suite à l'accident de Pékin. Euh, donc, il ne faut pas qu'on essaie de leurrer les gens ou de faire une très mauvaise communication, une très mauvaise ou de nier la réalité. La réalité, comme je l'ai dit, il y a eu deux corps calcinés reçus à Dalal et des blessés qui sont au niveau du centre hospitalier national de Pékin. C'est ce que je voulais euh, préciser. Euh, waaw dama gis ni am na daal ay message yoo xam ne dafa mel ni luy bëgg na sa xelu xelu nit ñi wala maanaam luy bëgg jaxase bopp nit ñi ci accident bi nga xam ne amoon na fii ci ci Yaraax may wax ne dëgg la hôpital Dalal Jàmm jotul juróomi malaat yi ñuy wax mais jot na ñaari corps ñaari néew yoo xam ne ci accident boobu la jóge yeneen malade yi nga xam ne nag dañoo gaañu am gaañu gaañu